le forum du studio le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam il 18h15 à Maradi, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du Kalangou a pour interrogation principale la sécurité de la région du Maradi, comment faire face au phénomène d'enlèvement de personnes. Maradi, à plus de 600 km du Niamey, un des poumons économiques du Niger, n'est pas épargné par l'insécurité ambiante, une insécurité qui prend de plus en plus d'ampleur dans toute la région ouest africaine. Bien qu'elle soit une région éloignée de l'épicentre de la secte terroriste Boko Haram du Nigeria et loin de la zone des trois frontières Niger, Mali, Burkina Faso, zone de prédilection de nombreux mouvements djihadistes. Les populations de la région de Maradi vivent en permanence dans la peur d'être prises pour cible par les groupes des bandits armés. L'inquiétude des populations vivant dans le sud de cette région notamment a été souvent perturbée ces derniers temps par des actes plus ou moins terroristes euh, des raptes de personnes, euh, du vol de bétail et des confrontations avec euh, des forces de défense et de sécurité. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre l'ampleur et la persistance du phénomène d'insécurité et la situation humanitaire dans la région de Maradi et les dispositions prises pour y faire face. Et pour développer ce sujet, nous sommes dans le studio de la radio Garkoa, notre principal radio partenaire dans la région de Maradi, avec comme invité Sani Sanoussi, secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région de Maradi. Sani Sanoussi, bonsoir. Bonsoir. Salissou Oumarou, premier vice-président du conseil régional de Maradi. Salissou Oumarou, bonsoir. Bonsoir. Et Abdou Damalam, il est sociologue. Abdou Damalam, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région de Maradi, Sanison aussi. on va commencer avec vous. Aujourd'hui, comment se porte ou bien comment se présente la situation sécuritaire dans la région de Maradi Voilà, merci euh, Studio Klangou de m'avoir invité, n'est-ce pas, à cette euh, séance euh, de débat sur un thème qui est d'actualité, celui de la sécurité au niveau de notre région. Je dirais que la situation sécuritaire dans notre région aujourd'hui, je dirais qu'elle est calme. Euh, relativement calme. Pourquoi Parce qu'il y a trois semaines de cela, nous n'avons enregistré aucune inquiétude euh, au niveau de notre frontière parce qu'il faut le rappeler, l'insécurité qui sévit ne sévit pas dans toute la région. C'est une insécurité frontalière. Vous savez, nous partageons une longue frontière avec euh, des États fédérés les plus touchés du Nigeria, notamment Zampara et Sokoto, ajouté l'État fédéré de, de Katina c'est au long de la frontière avec ces États que nous avons une sorte de banditisme développé, une sorte de banditisme en tout cas qui prend de plus en plus une forme, euh, je dirais, euh, militaire, parce qu'on a assisté à un moment donné à des attaques avec des pays AP, avec des armes AP. Donc, euh, je l'ai dit tout à l'heure, elle est calme parce qu'il y a au moins trois semaines. La situation est calme, monsieur le SG de la région du Maradi. ça veut dire que la situation est sous contrôle La situation est sous contrôle, très bien. Elle est sous contrôle, je l'ai dit, parce que à ce qu'on a l'habitude d'assister, à un moment, on ne peut pas perdre trois jours, deux jours, quatre jours sans entendre un village attaqué par des bandits aujourd'hui sommes zérés. Monsieur le SGA, pourquoi ces bandits s'attaquent au village Les bandits s'attaquent au village parce que euh, d'abord, ils pensent qu'il y a leurs compatriotes qui se trouvent de notre côté, qui ont trouvé refuge dans notre région et pour eux qu'ils paillent euh, attendre à leur but euh, lorsque nécessaire de le faire, en de se faire entendre au niveau de, de leur autorité locale, fédérale et même euh, leur autorité nationale. Ils s'attaquent le plus souvent pas à nos personnes, c'est à des occasions quand ils ratent, n'est-ce pas, leurs compatriotes qu'ils s'en prennent à nos populations. Monsieur, le SGA, le plus souvent, euh, ces bandits euh, font des enlèvements, rançonnent des paisibles citoyens, volent des bétails. Est-ce que ce n'est pas à cause de l'argent que ces bandits attaquent Oui, les bandits attaquent à cause de l'argent, absolument. Vous savez, ça c'est quelque chose de naturel au niveau du Nigeria au niveau du Nigeria, je ne vais pas hésiter de le dire. Depuis un moment, c'était une jungle au niveau de la frontière où chacun, quand il pense qu'il est fort, il peut s'attaquer à l'habit de celui qu'il veut. Donc, euh, c'est au niveau de, cette, euh, de ces pays, au niveau de cet État, au niveau de cette partie de notre frontière, que, n'est-ce pas, tout ce banditisme est exercé. Nous, de notre part, euh, du côté du Niger, et pour les rappeler qu'il n'y a aucune inquiétude en vérité. C'était, c'est juste euh, un dégât qui est collatéral, causé par des gens qui opèrent de leur côté et qui font en sorte que leurs compatriotes, n'est-ce pas, se, se, euh, sur notre, sur notre territoire. Sané Sanoussi, avez-vous une estimation du nombre de personnes prises en otage cette année et combien sont encore retenues quand vous parlez de cette année, je, je fais absolument allusion à 2020. 2020, euh, je crois qu'on n'a pas encore quelqu'un qui a été enlevé par ces bandits. Il n'y a pas quelqu'un qui est retenu. Il n'y a pas quelqu'un qui est retenu s'il y a des gens qui sont retenus, peut-être que c'est depuis 2019. Mais pour cette année 2020, c'était pourquoi j'ai commencé à vous dire que la situation est sous contrôle, elle est calme au niveau de notre région, au niveau de la frontière avec euh, ces états des du Nigeria. Monsieur le SIGA, est-ce que les populations peuvent vaquer euh, normalement à leurs occupations le long de la frontière euh, du Nigeria Oui, les, populations vaquent à leurs préoccupations. Dieu merci. Vous savez, nous sommes actuellement en, cours d'enrôlement. Et c'est une opération qui est importante, qui se passe dans toutes les contrées de, de notre région. Vous n'êtes pas sans le savoir que euh, le département de de Madarunfa, qui est une partie qui subit, n'est-ce pas, ces désagréments des bandits, a constitué dans son ensemble la première ère d'enrôlement au niveau de, notre région. Ça s'est très bien passé, il n'y a aucune inquiétude. au niveau de la deuxième ère qui est en cours, nous avons le département de Guidanouji qui est totalement concerné et que l'opération se passe aujourd'hui sans souci. Nous avons assez de villages qui, à un moment donné, nous-mêmes, nous nous posons la question est-ce qu'il y aura véritablement un enrôlement là-bas Est-ce qu'il y aura l'opération dérangement d'enrôlement au niveau de ce villages. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ça se passe très bien. Et euh, cela traduit combien de fois la situation est, bien maîtrisée. Salut Soumarou, la région de Maradi a-t-elle aujourd'hui les moyens nécessaires pour faire face à l'afflux des réfugiés en tant qu'élu local Merci de nous poser euh, cette question. Bien sûr, en ces genre de circonstances, il faut reconnaître que nous, n'obstant tous les efforts des uns et des autres, de, la part de l'État, notamment à travers tous les services techniques, les des Nations Unies, particulièrement ACR. C'est vrai, aujourd'hui, on peut dire que la situation est réellement et totalement sous maîtrise tant en ce qui concerne l'afflux. Ce n'est pas un effort exclusif de l'argent de Maradi. L'argent de Maradi a vérifié de l'appui de l'État et de l'appui de ses partenaires. Dans ces conditions-là, nous pouvons dire que l'argent de Maradi dispose de moyens pour prendre charge c'est cet appui des réfugiés. Salut euh, comment la population locale accueille-t-elle euh, ou cohabite-t-elle avec euh, les réfugiés Là aussi, je vous dire merci. Vous savez, bien avant cette situation, c'est le même peuple, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes, c'est les mêmes personnes. C'est seulement une frontière qui, les partage. Ce qui fait que quand cette situation est arrivée, il n'y a eu aucun problème d'acceptation par les Nigériens de la fille de nos autres qui sont venus du Nigeria quand ils sont venus pour les premiers jours, les premières semaines, tous ces réfugiés-là étaient intégralement intégrés, totalement accueillis dans des familles, dans les différents villages frontaliers de notre pays, de notre région. Donc, en ce qui concerne leur accueil et leur acceptation, là aussi, on peut vous dire, tout s'est passé, tout s'est passé et tout se passe très bien avec nos compatriotes et nos autres frères qui sont venus du côté du Nigeria. Depuis l'arrivée de ces réfugiés, il n'y a, a, eu aucun incident sur place euh, au niveau de ces sites d'accueil Pas que nous sachions pas que nous sachions un problème de quoi, pas que nous sachions. C'est des situations, vous pouvez imaginer l'ampleur. Il y a 40 000 personnes qui débarquent tout d'un coup. Je ne dis pas qu'il euh, euh, n'y a pas eu, mais que nous sachions des problèmes de régie, d'incompréhension entre nos compatriotes et de ceux qui sont venus, les, autres frères qui sont venus du Nigeria, pas à notre connaissance. Oumarou, comment les cultivateurs et les éleveurs des localités frontalières s'organisent euh, pour ne pas être négativement impactés par l'insécurité Merci de... Ce n'est pas seulement l'organisation organisation des paysans ou des pasteurs. C'est comment la région, l'État s'organise pour que justement les uns et les autres, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient agropasteurs, va continuellement à leur activité. Bien sûr, nous avons connu des déplacements à partir du moment où, imaginez un paysan qui quitte son village, imaginez un pasteur qui, quitte son territoire d'attache. Bien sûr, ça a une perturbation sur les activités au quotidien. Mais nous, nonobstant ça, les deux campagnes concernées qui sont écoulées, nous n'avons pas eu, en ce qui concerne les agriculteurs, un terrain non cultivé, un champ non cultivé. Nonobstant ce contexte spécifique, les paysans les producteur arrive à aménager leur terroir. Pour ce qui est des éleveurs, nous avons connu au début, comme ils ont quitté leur territoire d'attache, leur implantation dans des nouveaux terroirs il y en a qui sont un peu déplacés pour aller un peu plus au nord. Mais il n'y a pas eu de participation. De toute façon, c'est quelque chose qui rentre dans le cycle normal parce qu'il y a les deux tout simplement qui, en ce qui concerne les, pasteurs, c'est juste la période de leur migration qui était un peu anticipée parce que de toute façon, ils vont entre du moins dès qu'à un certain moment, ils vont, ils vont, toujours descendre vers le nord ou descendre vers le Nigeria. Sauf que cette fois-ci, il n'y a plus la possibilité de descendre vers le Nigeria on descend plutôt vers notre zone pastorale qui est plus ou moins au nord dans le département du Barmont en particulier. Donc là-bas aussi la situation est sous contrôle ah, Elle est totalement sous contrôle. Sadissou Marou, comment s'organise l'assistance à ces réfugiés Vous savez, l'assistance s'organise à deux niveaux, j'allais dire. Il y a d'abord l'organisation du côté de l'État et ensuite l'organisation du côté des partenaires. des partenaires. Mais ces deux organisations, finalement, se sont retrouvées sous un même chapeau. Au début, quand ça a commencé. Vous voulez dire qu'il y a des synergies d'action Il y a absolument. Quand ça a commencé, au début, comme c'est une surprise, bon, chacun, les, les, les humanitaires couraient, euh, l'État de son côté faisait. Mais après, sous la coordination du, du, gouvernorat, aussi bien les efforts de l'État que ceux ont été mis sous un même chapeau pour qu'il y ait une synergie d'efforts, pour qu'aujourd'hui, on peut vous dire que les deux efforts qui au début, chacun faisait un peu comme l'entend, aujourd'hui sont retrouvés sur le même chapeau et que c'est totalement coordonné. Chaque semaine, que je crois que c'est le président du comité, euh, le SDA, chaque semaine, il y a une réunion qui se fait pour planifier où, quand, qui, en ce qui concerne l'aide humanitaire, se réfugier aussi bien que pour les déplacer. Sani euh, Sanoussi, au jour d'aujourd'hui, on estime à combien le nombre de réfugiés dans la région de Maradi voilà, merci beaucoup de revenir vers moi pour euh, la question sur les réfugiés. Je suis celui-là qui représente euh, euh, le gouverneur dans cette gestion des réfugiés au nom de, de, la région. Donc je suis une sorte de point focal de tous les partenaires, comme l'avait déjà dit le vice-président du conseil régional, de tous les partenaires qui ont décidé d'appuyer l'État du Niger dans cette épreuve dure. Donc, euh, à la date d'aujourd'hui, vous savez, quand on dit répugé là, c'est une expression qui est large. Parce qu'un réfugié, d'abord, c'est celui qui est enregistré, n'est-ce pas, et qui, à travers lequel on dispose toutes les informations. Qui est identifié. Qui est identifié, qui est bien connu n'est-ce pas, par l'État d'abord du Niger qui l'accueille, et puis par le partenaire qui, qui appuie l'État, surtout à les prendre en charge, là, la question d'assistance. Euh. Donc euh, aujourd'hui, nous avons plus de 42 000 réfugiés au niveau de la région. 42 000, ce sont des personnes qu'on avait enregistrées dont on a les renseignements d'où ils viennent. Des réfugiés nigérians. Des réfugiés nigériens qui sont sur le territoire nigérien. Il y a des retournés au sein de ces réfugiés Il n'y a pas de retournés pour le moment. Il n'y a pas de retournés. On ne peut pas parler de retournés étant donné qu'on est toujours dans le processus, de, surtout de la relocalisation. Nous avons 40 000 qui sont enregistrés, qui sont aujourd'hui 42 000, je dirais, j'allais dire, qui sont enregistrés que nous reconnaissons comme étant des, des réfugiés. Répartis sur combien de sites Répartis, mais ils n'ont pas, si je dis c'est ça, je, je, vais venir. Les 40 000 aujourd'hui ne sont pas relocalisés. Il faut qu'ils soient relocalisés pour parler des sites. Ils sont là, ils sont enregistrés. Le processus de leur relocalisation est en cours. moins il y a d'autres qui sont là, qui auront bien entendu le statut des réfugiés, mais qui, pas, qui ne se sont pas encore enregistrés. Des flux de, de, de personnes qu'on a enregistrées au courant du mois de décembre. Vous savez, décembre, euh, ça a été toujours une période où pratiquement l'ensemble des partenaires qui appuient l'État du Niger, qui relève surtout du système des Nations Unies, certains sont en vacances, d'autres sont en détente, ainsi de suite. La reprise, c'est maintenant. Donc, euh, ce processus de la relocalisation va reprendre et cela nous permettra de savoir exactement, parmi ces 42 000-là, combien sont dans tel site, combien sont dans l'autre site. Et les restes qui n'ont pas été arrêtés verront aussi arrêtés afin qu'on engage et même euh, le processus de la relocalisation. Les 42 000 réfugiés qu'on a, c'est le nombre de personnes. Donc en termes de ménages, nous nous retrouvons aujourd'hui avec 11 euh, 000 et quelques ménages nigériens qui sont sur le territoire du Niger, euh, notamment au niveau de la frontière avec Sokoto, Zampara dans le département de Madarumpa et surtout le département de Guidarumpa. Parce qu'à Madarumpa, je dirais même qu'on n'a pas de réfugiés. On a ce qu'on appelle le FDI, les personnes déplacées internes suite à des dernières attaques de l'année 2019 euh, qui, qui, ont mis le jour vers euh, la fin du mois de décembre. Mais l'essentiel de ces réfugiés en tout cas, sont sur le département, au niveau du département de Guidonouji, précisément dans la commune de, Tibri, et ceux qui sont relocalisés dans la commune de Chadakwari et celle de, de Comment expliquer la persistance et l'exacerbation de la situation sécuritaire dans cette région habituellement paisible tout d'abord, euh, je remercie le studio Kalangu de nous avoir invités à ce grand débat sur euh, la sécurité dans la région de Maradi. La question que vous venez de me poser est une question très pertinente par rapport à comment on est arrivé à cette situation. Et cette situation est due à un certain moment à un contexte d'insécurité qui dit insécurité dit un sentiment de vivre dans un environnement euh, hostile, où les personnes et leurs biens sont menacés par d'autres personnes. Et à un certain moment, euh, comme euh, ça a été développé ou détaillé par le secrétaire général adjoint du gouvernorat, la zone frontalière de la région de Maradi avec le Nigeria était menacé par euh, une insécurité due au tout début par euh, les vols du bétail qui s'est un peu transformé au soi-disant banditisme qui a fait que euh, la population vivait dans une terreur et cette terreur a fait que beaucoup de ces populations, qu'elles soient du côté du Nigeria ou du côté du Niger, se sont vues déplacées. Et c'est pourquoi aujourd'hui on parle des réfugiés ou bien des personnes déplacées internes. Et cette situation est liée à la psychose d'insécurité où la population s'est sentie incapable de vivre sur ses propres toits. Il fallait trouver là où se cacher. Et Dieu merci, toute cette situation, elle est due dans un premier temps à un problème que j'allais dire problème d'emploi, problème du chômage des jeunes d'un côté qui s'adonnent au banditisme et de l'autre côté c'est la situation environnementale qu'il avait posée parce que au tout début chaque année la région de Maradi ne connaissait pas le système d'insécurité. Là, vous faites allusion aux causes. Aux causes de l'insécurité. De l'insécurité c'était des conflits champêtres entre éleveurs et agriculteurs dus aux problèmes terriens. Le terrain, là où les animaux vont paître, et de l'autre côté, là où les cultivateurs vont procéder à leur euh, champ d'action qui n'est que l'agriculture. Donc à partir de là, ce brassage entre les éleveurs et les agriculteurs est heurté à cette situation des bandits qui n'ont que trouvé la première formule, c'est de braquer ce bétail pour aller vendre dans des marchés au Nigeria. Abdou Damalam, est-ce que ce n'est pas parce que les gens payent la rançon que la situation se complique, la situation perdure Bon, on est arrivé à cette situation parce qu'à un certain moment, l'État n'y pensait pas ou les autorités régionales ne pensaient pas qu'on allait aller à ce stade. Parce que la région paisible. Est paisible on ne connaissait pas l'insécurité. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, quand on parle de rançon, on parle de contrepartie. Et je pense que ce n'est pas pour la première fois que nous sommes en train de débattre sur cette situation de rançon, enlever des personnes et demander des rançons. Maintenant, les causes de cet enlèvement sont connues. C'est d'abord le manque d'emploi, le chômage des jeunes et cette situation de fragilité de nos frontières parce qu'il y a une certaine porosité entre euh, euh, la frontière qui sépare la région de Maradi avec euh, certains États fédérés du Nigeria. Donc ça veut dire que l'État du Niger ne peut pas mieux contrôler au niveau des frontières Nous avons un problème du contrôle des frontières et cela est dû au nombre des éléments de force de défense et de sécurité que nous avons au niveau au plan régional. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la région de Maradi Partage une large frontière avec, euh, avec le Nigeria, dont certaines parties sont des forêts. Et nous avons plusieurs sortes de forêts. Il y a la forêt classique et les forêts denses, là où les, ces bandits opèrent. Donc, on ne peut pas tout couvrir cette frontière. Et à un certain moment, Dieu merci, aujourd'hui, euh, on, sait qu'il y a une certaine accalmie. Vraiment, le début de l'année 2020, on a moins, j'allais dire, on a moins d'attaques, moins d'élevements au niveau de la région de Maradi. Mais en 2019, c'est connu par tous. Et, nous avions des, chiffres, comme l'a si bien dit, euh, au niveau du conseil régional, tout comme euh, euh, le point focal de la gestion des, réfugiés, qui est le secrétaire général adjoint du gouvernorat. Et bien, Maradi avait connu une période très difficile parce que ce n'est pas seulement la question des réfugiés, c'est la question des pertes en vies humaines qu'a connue la région en, 2019. Mais en 2020, euh, je pense que nous sommes quand même satisfaits de l'accalmie qui régnait au niveau de cette frontière, parce que le contexte d'insécurité, c'est un contexte qui est très large. Aujourd'hui, si nos frontières sont sécurisées, il faudrait voir la sécurité dans la commune urbaine de Maradi. Comment vivent les Maradawa dans la commune Parce que là aussi, il y a d'autres aspects mais ces aspects-là sont différents de ceux qu'on a connus de par le passé. Abdou Damalam, Maradi est la capitale économique du Niger. Est-ce que cette insécurité a eu un impact réel sur les transactions commerciales, les échanges entre le Niger et le Nigeria eh, Bien sûr, eh, cette euh, insécurité avait eu des répercussions sur le commerce. Maradi est la capitale économique. Au-delà euh, du contexte euh, insécuritaire qui a impacté sur le commerce au niveau de la zone frontalière du Nigeria parce que il y avait cette hantise, cette peur qui empêchait les villageois à partir d'un certain marché ruraux du Nigeria pour faire le petit commerce. Mais quand il s'agit de la capitale économique de la ville de Maradi, dans un premier temps, même avec cette insécurité, on ne peut pas très vite sentir les répercussions du commerce parce que les, les, commerçants continuent à aller au Nigeria. Mais un autre aspect qui avait impacté au-delà du côté des zones frontalières des villages, aujourd'hui, c'est la fermeture des frontières du Nigeria, du côté du Niger, où c'est de façon très pénible que nos commerçants exercent leur métier. à travers des voies de contournement, selon vous Oui, à travers des, des, des voies de contournement parce qu'il faut reconnaître que c'est la plupart de nos, petits commerçants font de l'informel. Donc, il est difficile pour eux de, passer par des voies légales pour aboutir vraiment euh, à leur, gain de commerce. Mais l'insécurité en tant que telle, de l'autre côté, au niveau du, Nigeria, ça a beaucoup impacté sur le commerce, sur certains produits de première nécessité dans la région de Maradi. Sadissi Oumarou, quel est l'impact euh, de la fermeture des frontières nigérianes euh, pour les activités économiques de la région de Maradi, dont Abdou Damalam faisait quand Tout à fait. Évidemment, Abdou a touché de, de de problème. L'impact euh, économique pour la région de la fermeture des frontières avec le Nigeria, il est très très important pour la région. Il vous souviendra que officiellement, à l'échelle nationale, dès les trois premiers mois de la première de frontières, le ministère des Finances avait annoncé des chiffres depuis les trois premiers mois. Et l'essentiel des chiffres là annoncés par le ministre des Finances, c'est essentiellement des chiffres sortis de l'argent de Maradi. Il faut dire que avec cette fourniture des frontières, c'est tout le circuit commercial qui est totalement perturbé et même interrompu. La première conséquence directe de cette fourniture des frontières pour l'argent de Maradi, c'est toujours les recettes en matière de la douane, des impôts et même pour le conseil régional Nous le savons mieux parce que je peux vous dire de manière résumée. La fermeture des frontières a conduit à une limitation, à une réduction du quart. Nous fonctionnons sur la base des impôts rétrocédés. Nous recevons actuellement, à quoi la frontière, fermeture de la frontière là, à peine le quart de ce que nous avons traditionnellement l'habitude d'avoir pour notre fonctionnement. À tel point que je ne parle même pas d'investissement même le fonctionnement du conseil régional, qui fait uniquement sur la base des impôts de et qui dépend uniquement des recettes douanières et des impôts. Avec la frontière de la frontière, en résumé, ces détails ensemble être divisés par quatre. Les conséquences, sont terribles. Ça, c'est ce que je connais déjà au niveau du conseil régional. Et les chiffres sont là. Chaque année, les services des impôts, les services de la douane, ils, ils publient les chiffres. Voilà. Et grosso modo, nous arrivons à cette situation-là où la réduction drastique des recettes en termes des services de la douane et des impôts carrément réduit à peine au quart. Alors, comment le conseil régional arrive à fonctionner Vous savez, quand vous avez suivi euh, rien que la semaine passée, il y a eu une assemblée générale, par exemple, des régions à Dosso. Vous avez entendu le Premier ministre. C'est sous cette base de considération-là. Il y a eu des fonds qui, initialement, au début, étaient affectés au conseil régional qui leur facilitait le fonctionnement. Et puis, maintenant, il y a cette, ce fonctionnement de impôts rétrocédés. Avec la fourniture des frontières, on s'est rendu compte que le conseil régional de Difa, de Zander, de Maradi, de Tawa, de Dosso, tous, nous sommes dans la même situation. Impossible de fonctionner tout simplement. Donc c'est pour cela que il, va y avoir rétablissement, rétablissement de ces impôts-là par l'État. Ça a été annoncé par le Premier ministre à l'Assemblée générale de, la région euh, la semaine passée à Dosso. Et ça, c'est une des conséquences. L'État est obligé de revoir, pour assurer le fonctionnement normal de ces institutions, de revenir à des acquis. Est-ce qu'il y a un plan de sortie de crise qui a été proposé ici au niveau de la région de Maradi C'est que nous, on a fait spécifiquement pour la région de Maradi, c'est de renforcer notre, nos contacts, nos plaidoyers auprès des partenaires et d'autres nouveaux partenaires que la région a essayé de nouer des relations pour obtenir les fonds, au moins en matière d'investissement des actions des son. Parce que dans ce contexte-là, le conseil régional ne peut faire aucun investissement. Et alors, face à cette situation, vraiment, Dieu merci, avec cette initiative-là, de prise de contact, des rencontres, des plaidoyers auprès de nos partenaires, nous allons faire cette année 2020 des investissements que le Conseil de n'a a à refaire. Et ça, c'est la base de fonds des partenaires qui ont compris et qui ont mobilisé des moyens conséquents. Qui ont accepté, de, nous accompagner, de nous appuyer, de nous apporter des efforts très importants financiers pour que nous puissions assurer nos missions régaliennes. Sadissou Umaru, à votre niveau, quelles sont les dispositions prises pour éviter euh, les infiltrations au niveau des frontières des villages frontaliers avec le Nigeria Vous savez, je vous l'ai dit depuis le début, la porosité des frontières ne fait aucun secret. C'est connu, nos frontières, et n'est pas une stabilité du Niger, c'est tous les pays africains, nos frontières sont poreuses. Et ça, ça a une histoire. Je l'ai dit. Les gens sont les mêmes. on a des villages où c'est seulement la, la, la, la, frontière qui les divise. Est-ce que c'est à cause de l'immensité du territoire du Niger Il y a l'immensité du territoire du Niger. Il y a aussi notre façon de vivre depuis des temps immémoriaux. Il y a aussi peu quelque part, et ça c'est le dernier point que je pense, la limitation des moyens de l'État pour la contrôle ce Mais le plus important, il y a cette immensité des frontières, mais aussi il y notre façon de vivre. Le brassage, le brassage de la population, ça, a toujours été, ça a existé. imaginez, il y a, on a combien de villages de la frontière traverse vous, faites, hein, vous traversez cette rue, là, vous êtes au Niger. Vous traversez l'autre rue, vous êtes au Niger. Parlez-moi de la frontière dans ce contexte. Nous avons combien de villages dans la région de Marrakech dans cette situation Même si vous, alignez, euh, vous allez amener la qu'est-ce que vous allez faire c'est le même village, on dit la frontière traverse ici, à Guédanrumji. On a des villages comme ça où la frontière traverse les villages. C'est un, problème. Donc, la question des moyens, c'est pas ça le plus important, mais c'est notre façon, déjà, nos mixages, qui n'était pas un mixage parce que c'était la façon dont les gens vivaient. Cette frontière-là est totalement artificielle et que nos populations, en réalité, n'ont jamais intégré qu'il y a une espèce de frontière entre le Niger, et, le Nigeria. Ils n'ont jamais. Ça, c'est de l'administration, ça, c'est de la politique. Mais au quotidien de nos concitoyens, parler du Nigeria, parler du Niger, ça leur est complètement égal. Sani Sanoussi, Maradi est considéré comme étant la capitale économique euh, du Niger, euh, je l'avais rappelé. Quel est l'impact de l'insécurité sur les activités commerciales entre le Niger et le Nigeria Voilà, merci. Avant de répondre à votre question, vous me permettez d'abord un peu de rebondir euh, à une séquence d'intervention de mon frère ah, Abdou Malan où il pesait cas de manque euh, souvent d'hommes sur le terrain qui a un peu que la situation avait persisté à un moment donné n'est-ce pas Mais il avait dit que les autorités avaient sous-estimé l'insécurité. Non, non, non, c'est justement là que je voudrais venir. Il n'y avait pas une sorte euh, de sous-estimation par rapport au problème. Je l'avais déjà dit que ce phénomène-là était un phénomène naturel pour les gens du Nigeria. Mais au Niger, les gens ne le connaissaient pas. Les gens ne le connaissaient pas, mais au, à la veille, juste quand il s'était posé dans notre pays, nous avons pris des dispositions euh, seulement, il faut peut-être comprendre qu'une question d'insécurité, pour la traiter, il faut une synergie. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'à un moment donné, il y avait une rencontre multilatérale ici. Entre, les, entre, les, États fédérés et entre les États, les différents États fédérés, frontaliers à la région de Maradi. Nous nous sommes retrouvés ici à Maradi où nous nous sommes donné une feuille de route qui était demandée à ce que chaque parti l'honore de notre côté, nous l'avons honoré et que pourquoi on avait même initié cette rencontre, c'est pas justement pour commencer à travailler ensemble, non, mais pour les amener et à travailler comme ce que nous nous pesons. Parce que nous, nous ne sommes jamais laissés, nous ne sommes jamais restés bras croisés. De tout temps, on sait qu'on a une frontière et une frontière, elle est à sécuriser complètement à tout moment, même sans incident. Donc, euh, il faut le dire, que de l'autre côté, il n'y a pas eu de, suite par rapport à ce qu'on nous sommes entendus pour, lutter contre cette insécurité au, niveau de notre frontière. Donc, l'État du Niger, vous le savez, autant que tout le monde, car a beaucoup investi dans l'armée, il est en train de le faire pour toujours. Nous avons toujours des hommes qui sont euh, au niveau de cette frontière. malgré ça, quand on dit enlèvement, on parle d'une personne. Euh, ça, du coup, vous savez qu'on ne peut pas faire une personne une porte de dépense et de sécurité. Et ce qui fait que le fait que ce phénomène-là euh, subit encore ne traduit en aucune façon euh, un manque de moyens, surtout de la part de l'État comme le nôtre, qui paie euh, toujours des grands investissements dans, dans, ce domaine. Donc, pour vous dire que nos voisins, qui sont les États pédérés, n'est-ce pas, du, du Nigeria, euh, quelque part, ils sont responsables de la continuité de ces phénomènes au niveau de la frontière. Parce qu'ils ne se sont pas mis, en tout cas, ils ne se sont pas engagés comme nous nous le sommes à piner avec ces phénomènes. Maintenant, pour revenir à votre question, rapidement sur les conséquences, euh, je ne pense pas si je dirais plus ce que le président du conseil régional a dit en tant qu'institution qui a en charge le développement de la région. C'est vrai, là aussi, euh, ça relève quelque part de notre cahier de charges en tant que secrétaire général adjoint du gouvernorat, quand on va parler de développement, bien entendu, nous avons quelque chose à dire. les impacts sont, l'a dit, sont nombreux et malheureusement, ils sont négatifs. La fermeture de la peinture aujourd'hui a handicapé beaucoup de nos commerçants. Beaucoup de nos commerçants aujourd'hui sont à même au sol parce que n'ont même pas à aller par la transaction. Parce que leurs clients, ou je dirais les, gens avec lesquels ils... Les fournisseurs. Les fournisseurs, ils sont totalement coupés avec... Parce qu'il n'y a pas de bail et bien. Et quand il n'y a pas bas et bien, pour, un commerçant, je pense que... C'est un handicap. C'est un handicap, euh, c'est un, problème qui est sérieux. Sandi aussi comment garantir la liberté d'aller et revenir entre le Niger et son voisin immédiat, le Nigeria. Pour garantir ça, la liberté d'aller et venir, euh, naturellement, il faut lever cette mesure de permis <laughs> des frontières. Euh, ça, c'est un. Deuxièmement, il faut qu'ensemble, les autorités nigériennes, avec les autorités de notre pays, euh, se mettent toujours en rapport pour, en tout cas, contrecarrer ces, bandits-là, ces gens-là qui sèment la terreur, au niveau de la frontière. C'est ça la condition. Il faut qu'il y ait une synergie. Il faut que, de même que nous nous, nous, concentrons toujours des efforts pour déployer les portes de dépenses et de sécurité, pour garantir la sécurité de nos, de nos populations, il faudrait qu'il y aussi, de leur côté, qu'ils se déploient cette euh, force-là au niveau de la frontière pour qu'ensemble, on puisse arriver à, à punir avec euh, l'ennemi. Et il faudrait aussi, en dehors de ces, de ces deux forces qui sont les deux États, et pour que la population ou les deux peuples, celui du Niger et du Nigeria, collaborent avec nos forces de défense et de sécurité. C'est ça aussi un des points qui peut nous permettre de créer les conditions de bas et bien de, de, tous nos deux concitoyens. Donc voilà ce que je, peux dire par rapport à cette question. Abdou Damalam, vous êtes sociologue. Comment rapidement rectifier le tir euh, donc, euh, pour euh, rectifier le tir au premier niveau en ce qui concerne la question sécuritaire, nous devons créer des emplois pour les jeunes et nous devons créer les cadres pour nos éleveurs afin qu'il y vraiment un système de transhumance fiable. Mais il y a déjà des, conventions qui ont été signées entre les États fédérés et la région de Maradi. Toutes, toutes ces conventions-là, je vais venir sur le deuxième point en ce qui concerne euh, la question du commerce. Au niveau de la région de Maradi, et, le secrétaire général adjoint venait de le dire par rapport aux, solutions, c'est d'abord la levée de cette fermeture de la frontière. Moi, je pense que euh, cette levée ne peut être que par des institutions régionales telles que la CDAO. Parce que euh, eux, au, plan régional, ce qu'on puisse faire, c'est de voir la région des Anders, euh, Maradi, euh, Tawa, Dosso, avec les États fédérés, de voir pour remonter un peu le dossier. Mais cette fermeture ne concerne pas seulement le Niger, c'est pourquoi nos chefs d'État doivent se revoir au niveau de, de la CDAO pour créer vraiment la révision des textes et qui va permettre la libération de cet article qui est, un article constitutionnel, le droit d'aller et de revenir. Ça permettra euh, euh, de renforcer les échanges et ça va faire revivre le commerce dans la région de Maradi. Et sur le plan sécuritaire Et sur le plan sécuritaire, euh, l'ensemble au plan régional, la région doit mettre encore en veille le système de la surveillance et là, nuit et jour, et même dans la, dans, la ville de Maradi, vous savez, dans ma première intervention, je, me suis, je ne me suis pas limité uniquement avec cette insécurité frontalière. J'ai dit même dans la ville, il y a des problèmes qui relèvent d'insécurité que la région doit faire face. Et le mobile, au niveau de l'insécurité, il faudrait que ces bandits-là soient désarmés, soient délogés, soient punis pour qu'on puisse vivre en paix. Donc euh, au niveau de la commune, que ce soit le conseil régional, que ce soit au niveau du gouvernorat, ils doivent faire la promotion de l'emploi. Vous voyez bien aujourd'hui quand vous regardez, même dans le cadre de, ces activités, c'est les jeunes qui s'adonnent euh, au système de taxi moto Kabu Et je pense que même maintenant, il y avait des difficultés de démêler que je pense le conseil régional aura à gérer parce que ces jeunes-là, mieux vaut qu'ils soient dans ces activités-là que de rester encore à la maison. Monsieur le vice-président du conseil régional de la région du Maradi, Sadissou Oumarou, quels sont vos conseils, propositions de solutions ou recommandations pour un retour rapide de la quiétude dans la région du Maradi Avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Un peu en arrière pour comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à là en fait. La question sécuritaire, nous sommes impactés 100% par nos voisins. Tout le Niger est impacté. Tout le Niger. Maradi particulièrement, nous sommes impactés par des choses qui nous sont venus du Nigeria. Il ne faut pas cacher, bon, sans, sans, Mais là-bas, comment c'est venu Abdelmalan a dit il y a eu une étude qui était engagée par l'État fédéral pour comprendre. Et c'était exactement pour des questions économiques que la situation a commencé chez notre voisin. Cette question d'insécurité qui concernait une certaine catégorie des citoyens de notre voisin. La mauvaise prise en charge de cette question-là a fait que cette catégorie de citoyens de cet État-là a continué à se comporter là-bas chez eux de cette façon-là. Et jusqu'à chemin faisant, nous sommes concernés. Dans un premier temps, il s'agissait essentiellement de vol de bétail, Abdamal l'a dit. Et quand il y a eu cette signature de convention, et je veux revenir là-dessus, entre le gouverneur de la de Maradi et le gouverneur de l'État de Katina, cette convention-là a permis de faire un travail remarquable. Parce que c'est grâce à cette convention-là qu'on appuie finalement de manière significative parce que mis fin au vol de bétail. Monsieur le vice-président du conseil régional Sadissou Oumarou, comment éviter la contagion pour que les enfants de la région de Maradi ne puissent pas intégrer ces groupes armés Il n'y a pas d'autre alternative. Il faut forcément faire en sorte que nos concitoyens puissent garder et possible normalement leur activité de production, qu'ils soient éleveurs il faut faire en sorte que qu'il continue à mener son activité d'élevage normalement comme on l'a fait, au mieux amélioré. Et si c'est des agriculteurs qu'il continuent à mener leur activité agricole, si jamais, si jamais, immédiatement, avec l'impact du Nigeria, les gens sont tentés. Et comme je vous l'ai dit, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes gens. On vous fait des offres très facilement alléchantes. Vous cédez, vous partez. Donc, je crois que la première des choses à faire, c'est de faire en sorte que nos concitoyens agropasteurs, éleveurs, dispositions soient prises pour que chacun en ce qui le concerne, ses activités soient maintenues et si possible améliorées et le mettre à l'abri du désœuvrement, à l'abri des besoins. Rapidement, une dernière question. Monsieur le vice-président du conseil régional de la région de Maradi, Sadis Oumarou, au niveau de la région de Maradi, quelles sont les actions à faire rapidement euh, pour occuper ces jeunes Là, par rapport à ça, puisqu'on fait la région de Maradi, il y a énormément de partenaires justement depuis que cette euh, situation-là a commencé. Beaucoup de partenaires sont venus appuyer la région. Des actions envers les agriculteurs à travers les différents projets de programme, des actions envers les pasteurs à travers les différents projets de programme et des actions à travers les mêmes cibles à l'initiative de la région. Et nous pensons que les efforts qui sont actuellement faits et les mobilisations qui sont en train d'être faites actuellement, si nous aboutissons à les concrétiser, je pense qu'on aurait répondu au premier aspect que j'avais signé. et je pense que les gens seront moins tentés, seront pas du tout insérés par cette question de l'aventure pour aller à euh, gain facile dans cette question d'insécurité. Ah, Abdou comment amener les populations à mieux collaborer avec euh, les autorités et les forces de défense et de sécurité rapidement Pour amener la population à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, il faudrait qu'il y ait une large sensibilisation. Il faudrait qu'au plan régional, qu'on fasse une large sensibilisation pour ne pas inquiéter cette population qui voulait dénoncer les personnes étrangères. Parce que le premier élément, c'est de dénoncer toute personne étrangère au milieu. Et cela, il faut que les, les autorités fassent d'eux-mêmes le premier travail, celui de garder le secret et celui de sécuriser ceux qui auront à dénoncer les personnes nocives. Euh, ces dernières années, des groupes armés ont en effet choisi comme repère euh, cette zone frontalière entre le Niger et le Nigeria pour commettre régulièrement des exactions contre des populations reconnues comme des, plus euh, paisibles et s'attaquer aux forces de défense et de sécurité. Outre les exactions, ces attaques ont également provoqué un nombre important de déplacés, réfugiés répartis sur plusieurs sites de la région du Maroc. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du Studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir euh, Sani Sanoussi, secrétaire général adjoint du gouvernorat de la région du Maradi, euh, Sadissou Oumarou, vice-président du conseil régional de la région du Maradi, et Abdou Damalam, il est sociologue. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du Studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.